le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Chirozirine, de Bouza, Tamaské, Mainasoroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel et Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à l'importance des trois décades de ce mois béni du Ramadan, les comportements à observer par les jeûneurs et les non-jeûneurs et bien d'autres questions que l'on se pose. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, président du comité de dialogue inter- et intra-religieux du Niger, Sédir. Cheikh, salam alaikum. Alaikum salam wa Nous sommes aussi avec le socio-anthropologue Dr Sani Yahya Janjouna. Dr Janjouna, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, euh, écoutons d'abord quelques vendeurs de nourriture qui, en six mois bénis du Ramadan, voient leur chiffre d'affaires euh, dégringoler. Franchement, le mois de carême, là, bon, il n'y a pas assez de clients, mais personnellement, moi, je me débrouille comme ça parce que il y a les gens qui n'ont pas bonne santé. On doit prendre petit déjeuner avant de prendre médicaments. Ça, c'est obligé. Et en plus, il y a les chrétiens dans le pays musulman aussi. Eux aussi, on va manger avant de partir au boulot. À cause de ça, moi, je me débute un peu, un peu. Malgré qu'il n'y a pas euh, il n'y a pas beaucoup de clients, mais je me débute comme ça. Est-ce que à chaque heure, quand on vient, on trouve de la nourriture chez vous? Oh, bon, de lundi à samedi, je suis là à 7 h du matin à 22 h Est-ce que c'est la même quantité que vous préparez avant le mois de carême Quelle est la différence de la quantité que vous préparez Non, parce que le mois de carême, là, je ne prépare pas beaucoup, je prépare un peu seulement. Bon, le soir, je prépare beaucoup. Est-ce que c'est difficile pour vous je peux dire que c'est difficile pour nous, mais on est obligé. Moi, je suis obligé de faire comme ça parce que à cause de les gens qui ne sont pas en bonne santé, ce n'est pas tout le monde qui sont à carême. Donc, je suis obligé de faire ça dans le quartier de, comment on appelle ton ici, il n'y a pas assez de manger, je suis seule ici, donc je suis obligée. Les clients viennent des fois, si je n'ai pas préparé, avant de, avant de commencer dans le monde de carême là, il y a les gens qui me disaient que non, quand il n'y a pas de nourriture dans le quartier, il faut se, il faut à cause de nous qui n'est pas bonne santé. C'est à cause de ça que j'ai commencé à faire. Bon, ça ne marche pas quand même, mais bon, c'est pas la grâce de ça va aller. Oh, ça va, ça va, ça va pas. Ça va, ça va pas. Il là, il y a des fois, il y a marché, il y a des fois, il n'y a pas marché. Un peu, un peu. Est-ce que les gens viennent acheter de la nourriture Oui, oui, oui, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui. Parce que c'est moi des bénis, des carams. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ne viennent pas, parce qu'il y a des gens qui qui ne veulent pas faire carême. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des chrétiens au pays, donc on est obligé de faire un peu, un peu voilà, pour que, pas ils vont décourager au pays, quoi, tu vois, non euh, Comment ça se fait En tout cas, je ne prépare pas beaucoup parce que avant je, euh, pose les grands rythme maintenant je, pose un peu, un peu, quoi. Parce que si je pose beaucoup là, et puis si ça pas marché, donc euh, j'ai obligé de verser ça. Si c'est gâté là, donc je vais ça. Donc je prépare un peu, un peu, si c'est fini, et puis je monte un autre. avant des 40 il y a des fois, je vais avoir 30 000, 40 000, tout. Maintenant, je peux avoir 15 000, 10 000, ça dépend tout ce que marché donne quoi. Ça peut aller, à moins c'est difficile parce que des mois de quand carême, c'est pas facile. Tu vois, il y a sommet aussi, je suis oublié de me lever tôt parce que ce matin là les gens qui passent, qui mangent là, tu vois non. Ouais, je suis oublié de venir tôt. À moins je, je me tenais un peu un peu pas facile. Contrairement à certains pays musulmans, ici au Niger, en ce mois béni de Ramadan, on trouve de la nourriture en vente pendant la journée et des personnes qui mangent en public. Cela serait mal vu par certaines personnes. Et Cheikh, on va commencer euh, avec vous, Cheikh Barham Et Que dit l'islam par rapport à la vente et la consommation de la nourriture pendant la journée en ce mois béni de Ramadan Alhamdulillah, rendons grâce à Allah qui nous a permis de débuter bien ce mois béni de Ramadan et qui nous a permis de passer la première décade, puis la deuxième. On est de plein pied maintenant dans la troisième. Ça veut dire qu'on a fait parcouru le plus grand chemin. Le Ramadan, comme son nom l'indique, somme en arabe, c'est l'abstinence. Quand on dit abstinence, c'est par rapport à la nourriture, par rapport au sexe, par rapport à la langue, à la à lui, à la, parole, euh, au regard, etc., il faut vraiment pouvoir euh, s'abstenir euh, pour ne pas commettre du péché à travers ses organes. Donc, pour le musulman, pour le croyant, il est recommandé, en tout cas le croyant qui est en bonne santé, le croyant qui a l'âge de gêner. Et la croyante, si c'est une femme qui n'est pas en période de menstruation ou autre, il est recommandé de gêner, de s'abstenir du matin au, coucher du soleil. Cela dit, l'islam est une religion de miséricorde. Ce mois de Ramadan a beau être l'un des piliers de l'islam, on n'oblige pas tout le monde, on n'oblige pas, n'oblige pas tout le monde à gêner. C'est-à-dire que il y a des exceptions. C'est le cas par exemple quand vous êtes euh, en voyage et que si ce voyage est vraiment très pénible, l'islam vous fait dérogation de ne pas gêné, De même si vous êtes malade, de même si vous n'êtes pas musulman, on ne vous oblige pas à gêner. Et que vous vivez parmi les musulmans, on ne vous oblige pas à gêner, etc. etc. Mais il ne serait pas respectueux pour le non-gêneur de manger publiquement devant son nez, comme on dit. De manger publiquement, bon, ce n'est pas bien. Mais il n'est pas interdit de vendre la nourriture parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui sont malades, il y a les, enfants, euh, il y a les non-musulmans, etc. Il n'est pas interdit de vendre. Nous, notre pays, Dieu merci, c'est un pays de tolérance. Jusqu'à présent, on vend la nourriture, les gens gênent. Ça n'a jamais causé de problème. Dans certains pays, comme au Maghreb, on entend régulièrement les, les foules qui lynchent des gens parce qu'ils ont fumé, parce qu'on les a vus manger parce que c'est l'air culture qui est comme ça. C'est des gens qui euh, manquent un peu de tolérance, si je peux dire. Mais chez nous, vraiment, cette tolérance est, euh, est là. C'est le symbole de cette tolérance. Mais c'est pas bien de manger devant les, les, les, jeunes parce que vous ne les respectez pas hum, mais c'est pas une raison quand même d'en de, faire un problème euh, jusqu'à provoquer des violences. Donc on peut vendre moi de mon point de vue, on peut vendre la nourriture parce qu'il y a des, enfants, des malades. Tout le monde sait qu'il y a certaines maladies qui sont très répandues aujourd'hui dans notre pays et qui font que beaucoup de personnes ne peuvent pas gêner. Euh, euh, dans tous les cas, le gêne, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et les individus. Si quelqu'un, adulte, croyant, euh, décide de ne pas gêner, si vraiment c'est un croyant, il n'y a pas de procès à lui faire parce qu'il sait ce qu'il a ce dont ils souffrent. Et l'islam l'autorise à ne pas gêner. Il y a des mécanismes pour cela. Mais chaque il n'a pas le droit de manger devant les gens Non, il n'a pas ce droit, vraiment, parce que c'est une. qu'est que dit l'islam à ce niveau Bon, l'islam euh, exhorte toujours le bon comportement. L'islam dit toujours euh, d'adopter le bon comportement. L'islam n'a pas spécifié des choses sur ça, mais l'islam dit simplement vraiment de bien se comporter, de ne pas, de respecter son, frère euh, croyant. Et surtout, l'islam dit si vous n'êtes pas euh, musulman et que vous vivez parmi les musulmans, c'est en respectant les règles, certaines de les règles que, que vous pouvez vraiment vivre harmonieusement avec eux. Même si vous n'êtes pas musulman, donc vous ne pouvez pas manger comme ça. Vous pouvez acheter votre nourriture, aller chez vous manger tranquillement, mais pas euh, devant les gens comme ça. Euh, l'islam n'a pas spécifié vraiment une punition comme on le voit dans certains pays. Si tu manges tout de suite, on t'emprisonne. Non. C'est ça. Moi, je pense que euh, c'est un acte de tolérance que notre pays a essayons de, de, faire régner ce respect envers le génère. Mais il ne faut pas aller aussi dans l'extrémisme en interdisant certaines choses qui, juste pour ressembler aux autres. Oui, Cheikh, euh, à présent, est-ce que les non génères ont des droits en islam Droit, non, c'est plutôt les génères qui ont des droits. <laughs> c'est plutôt les génères qui ont des droits. Ils ont des droits, les, non-génères ont surtout des devoirs. Le devoir, c'est de respecter le moi, c'est de respecter les génères et surtout de ne pas transgresser publiquement ces lois. Donc voilà à peu près ce qui leur incombe. On va aller euh, vers euh, le socio-anthropologue Dr Saniya Yajanjuna. Comment sociologiquement manger en public euh, pendant que les autres jeunes étaient perçus Bien que je sois sociologue, je suis musulman avant de l'être, <laughs> en vérité. Donc, merci beaucoup. ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que euh, observer le jeûne est une épreuve. C'est une épreuve religieuse extrêmement délicate. Je pense bien que c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala lui-même dit qu'il est le seul à savoir la récompense qu'il donne aux jeûneurs. C'est un acte hautement religieux qui met en fait l'individu face à des situations extrêmement délicates. Quatre des cinq sens en vérité, sont sollicités dans l'observation, en tout cas du jeune, pour faire en sorte que l'individu se confronte à la réalité. C'est ce qui fait que ce n'est pas l'acte de manger en soi seulement qui lui est interdit à certaines heures de la journée. Cela va au-delà, comme l'a si bien notifié Cheikh, il y a cette question de la sexualité. Il y a aussi le regard. Il y a la langue en termes du parler qui doit être contrôlée. Il est donc beaucoup de ces éléments liés au sens de l'individu qui sont sollicités et qui le confrontent à des rudes épreuves. C'est en cela que la récompense, comme je l'ai dit, est élevée, certes, mais c'est surtout dans le cadre du vivre ensemble pour que nous arrivions quand même à acquérir la grande patience, mais en même temps la tolérance, le respect vis à -vis de l'autre. Lorsque le mois de Ramadan arrive, et qu'on constate certains individus justement, soit pour une bonne ou mauvaise raison, se permettre de manger publiquement, c'est en fait défier la religion. C'est défier Allah C'est défier les croyants musulmans. Et ce défi, c'est là où se situe le problème. Lorsque l'individu le fait, il le fait pour des raisons qui lui sont propres. Soit parce qu'il ne reconnaît pas ces injonctions de l'islam, soit parce qu'il est irrespectueux vis-à-vis même des autres membres de la société. Et c'est en cela que l'absence de respect, qui a été très bien évoqué par Cheikh, s'impose en termes de rapport au niveau des individus de la société. Toute société qui ne privilégie pas le respect est condamnée effectivement à connaître des violences. Respect vis à -vis des autres, parce qu'ils sont aînés à toi, parce qu'ils sont respect vis-à-vis des autres parce qu'ils ont le savoir sur tel ou tel domaine. Respect vis-à-vis de l'autre parce que tout simplement c'est un être humain. Respect de l'autre parce qu'il est en train d'être éprouvé. Même s'il sait imposer cette épreuve, montrer une certaine forme de tolérance vis-à-vis -vis de lui va nécessiter justement le même respect. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse lorsque tu vis dans la société, ne le fais pas à autrui. Si tant est que les gens vont le respecter dans la vie en société, on ne serait que à l'aise. Toutes les religions, l'islam en particulier, recommande, comme son nom l'indique en soi, la paix, pour que les individus vivent en parfaite harmonie, en symbiose. Vouloir manger en public lorsque les autres observent le ramadan est en soi un acte banal. Mais banal pour qui Pour l'individu qui mange. Soit il est dans la provocation, soit il est dans l'ignorance soit il est dans la nécessité. À, ce nouveau docteur, peut-on parler d'atteinte aux bonnes mœurs Pas tout à fait. On ne peut pas parler d'atteinte aux bonnes mœurs, mais on peut parler de manque de respect. C'est un manque de respect qui renvoie à une question d'éducation. À une question d'éducation. Pourquoi Parce que c'est en fait manquer la bonne éducation. Le bon sens, euh, qui est la chose la mieux partagée, comme le dirait quelqu'un, en tout cas, ne nous permet pas de faire ça à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est dans cette épreuve d'endurance, de la soif, d'endurance, de la faim, d'endurance, même de certains contrôles qu'il est obligé d'exercer sur certaines facultés à lui et qu'on se permet de le provoquer, on est en train d'aggraver en tout cas sa situation d'épreuve qu'il vit. Et le respect, si, on, si un temps soit peu on l'a en soi, ne voudra pas qu'on essaye encore davantage de rendre la situation plus difficile à l'autre. C'est pourquoi, dans les sociétés civilisées, je pèse mon mot, pas dans le sens négatif où on compare les sociétés, non, dans le sens où les gens ont le respect véritable des droits humains, même pas la perception religieuse. Vous partez dans certaines sociétés occidentales, vous allez voir que le blanc qui est là, il sait que vous êtes en situation de jeûne et ne se permet pas de manger devant vous, par respect alors qu'il est même athée, alors même qu'il s'en fout complètement de notre religion, ou il est même contre l'islam, mais il ne va pas se, permettre de le faire par respect à votre personne. Donc c'est même dire quelque part, même pas parce qu'on est religieux, mais parce que tout simplement, dans le vivre ensemble, dans la vie en société, il y a cette question de respect que nous devrons avoir vis à -vis de l'autre. Ailleurs, euh, docteur, euh, euh, pendant ce mois béni de Ramadan, qui est ailleurs, ce mois béni de Ramadan est considéré comme un mois de faible consommation. Mais au Niger, le, mois, le jeûne est synonyme de dépenses ostentatoires. Qu'est-ce qui explique ce état de fait La faim, la soif que les gens endurent font en sorte que on a envie de tout manger à la rupture. On a le goût qui est surdéveloppé. Et c'est ça cette endurance en termes d'épreuve. Quelle est notre capacité à supporter, à endurer, à ne pas pouvoir manger La plupart des gens qui ont fait l'expérience et qui sont capables effectivement de tirer des leçons ont compris que réunir tout un plat de façon euh, euh, euh, avec des mets de gourmet, comme je l'ai dit, ça ne leur permet pas de manger par la suite. Il suffit de d'étancher un peu sa soif on n'a même plus envie de rien manger. Est-ce que cela peut s'expliquer à travers la gourmandise, par exemple Non, ce n'est pas véritablement de la gourmandise, c'est l'épreuve, l'endurance de la soif et de la faim qui amène ce goût qui se trouve. En termes de je souhaiterais manger telle chose, nous tous, on est portés à vouloir euh, développer ce goût, cet appétit étrange très élevé qu'on a de manger telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais à la rupture, on se permet tout simplement d'étancher sa soif, de calmer sa faim, et on n'en a même plus envie même de sentir l'odeur. Malheureusement, les gens ne tirent pas de leçons par rapport à cette situation. Ce qui fait que c'est l'occasion d'acheter beaucoup de choses. Ça, c'est un. Deuxième élément, il y a certains qui, c'est l'ostentation qui les intéresse. Pour montrer aux gens qu'ils ont les moyens, qu'ils possèdent de la richesse. Parce que c'est l'occasion de montrer effectivement que chez soi, voilà ce qu'on mange. Et l'ostentation est condamnée par la religion. L'ostentation est condamnée par même la société, le fait de vivre ensemble, parce que ça écoeure, ça blesse l'autre, parce qu'il n'en a pas. Lui, il cherche même un peu du gari pour calmer sa, sa faim. Vous, vous vous permettez, au niveau d'une table, de placer ou de réunir rien que par rapport à la viande, 4-5 sortes de viande préparées au niveau de la table. Or, la religion pour laquelle vous le faites d'ailleurs estime que votre voisin d'à côté n'a pas pu manger même un seul de ce type de viande que vous êtes en train de consommer. Cela voudrait dire quelque part, l'homme est ce qu'il est. Dans la question de vivre de la vie en société, les gens sont portés toujours à se montrer. Et, et c'est ça qui manque en termes d'éducation, la sobriété la modestie, le fait de supporter euh, en partant dans la modestie pour accepter qu'on euh, est comme les autres, pas plus que les autres. Et je crois que l'islam impose cela. Hein, le bon comportement voudra qu'on se respecte, on ne fait pas montrer, on ne montre pas à l'autre que voilà moi ce que j'ai et que toi tu ne peux pas l'avoir. En termes de défi, ce n'est pas bien d'humilier l'autre. Il faut faire les choses de façon modeste, avec la sobriété et surtout que c'est un mois de, de grande adoration. Oui, docteur Sani Yahya Genjouna, euh, si le chiffre d'affaires de certains vendeurs de nourriture dégringole pendant ce temps, pendant ce mois béni du Ramadan, euh, pour d'autres, c'est l'occasion de réaliser des très bons chiffres d'affaires. Cela doit être apprécié sous deux angles. Le premier angle, c'est que chez qui ça chute, c'est parce qu'en termes d'activité qu'il mène, est lié à la consommation, à la restauration. Lorsque c'est un produit de restauration, c'est des services liés à la restauration, étant entendu que la demande est faible pendant le mois de carême, il va sans dire qu'ils vont enregistrer justement une, une, faiblesse par rapport aux revenus qu'ils ont l'habitude d'avoir. Parce que les gens ne mangent pas autant qu'ils le font dans les autres euh, mois ou pendant le mois de carême. Comme je l'ai dit, on a une grande soif, on a une grande envie, un grand appétit, mais en réalité, si les gens se permettent de comprendre, on mange très peu. parce qu'on mange très peu, on n'aura pas, lorsqu'on s'investit dans l'acte réel de l'adoration, on n'a même pas le temps de fréquenter les restaurants, on n'a pas le temps aussi de tout manger qu'on a préparé parce qu'on manque même d'appétit par la suite. Il suffit de couper la faim et la soif. L'autre élément, ceux qui enregistrent des chiffres d'affaires élevés, c'est parce que les produits qu'ils vendent sont des produits destinés à la consommation réelle liée vraiment au, à l'observance donc du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, le sucre est surconsommé. Dans le mois de Ramadan, il y a des produits euh, parce qu'on en fait cadeau, mais aussi parce qu'on consomme beaucoup de sucre rien que pour permettre à notre énergie, en tout cas, de se renouveler hein, le soir à la rupture. Hein. Et c'est ça qui fait que déjà le sucre a été introduit dans nos comportements sociaux en termes de phénomène qui permet justement de faire des cadeaux aux gens, à la famille, à des amis, à tout le monde. Et c'est devenu en fait un ciment des rapports sociaux qui raffermit la foi et qui raffermit les rapports sociaux entre les individus. Ceux qui sont inscrits dans cette activité donc euh, euh, liée à cette grande offre parce qu'il y a une grande demande en sucre, ils vont sans dire qu'ils vont enregistrer justement des chiffres d'affaires très élevés et ils vont faire leur, euh, eux, ils vont enregistrer des bons bénéfices. Mais les vendeuses de plats, dans euh, la journée par exemple, celle qui fait sa petite restauration à midi, elle n'aura pas beaucoup de clientèle, étant entendu que les gens ne vont pas venir, ils seront très moindres, ceux qui sont, comme l'a si bien notifié le chèque, les enfants, les malades, les étrangers ou certains qui, qui ne sont pas euh, musulmans et qui vont seulement fréquenter. Et là, effectivement, la demande est faible. C'est la loi de l'offre et de la demande en fonction de la circonstance qui va réguler tout cela. On va retourner vers vous, Cheikh euh, Braham. que dit euh, l'islam au sujet des commerçants qui augmentent les prix des produits pendant le ramadan juste pour se faire plus d'argent Même en dehors du ramadan, l'islam interdit cela. L'islam est une religion de bienfaisance. on a vu dans certains pays européens, comme au Canada, ou même certains pays européens, pendant le mois de Ramadan, on baisse les prix, on baisse les tarifs pour le mois de Ramadan. Mais qu'en est-il de nous, musulmans, pays musulmans à 98% Nous, c'est à ce, moment-là, on choisit souvent, nos commerçants choisissent souvent pour augmenter. Si vous êtes, euh, on a l'habitude de le dire ici dans ce studio, si vous êtes grossiste et que vous faites venir, par exemple, euh, c'est un exemple que je donne, de légumes, euh, de Côte d'Ivoire, des bananes ou ce n'est pas parce que vous, vous avez baissé. Et si les enfants qui vont, les euh, c'est les détaillants, si, que toi tu es placé, si tu ne le contrôles pas, et ils, ils augmentent. C'est comme si toi tu n'as pas augmenté, alors que toi tu as une influence sur eux. Donc euh, Dieu, il comptabilise tout ça. Donc c'est à chacun vraiment de veiller à ce que son produit est dans le meilleur prix chez le consommateur. Oui, Cheikh, comment l'islam sanctionne euh, ce genre de personnes qui se livrent à, de telles pratiques Simplement en, noircissant le tableau votre tableau, votre tableau c'est noirci et que euh, au lieu de récolter les bénéfices de ce mois de Ramadan, vous récolterez plutôt des péchés. La deuxième partie de ce forum est consacrée à l'importance des trois décades de ce mois béni du Ramadan. Cheikh Barham Mahasumi. C'est un hadith du prophète Mohammed qui dit que le mois de Ramadan est divisé en trois décades. Il dit Awalhu Rahma, Awsatuhu Maghfira, Wa Akhiruhu Minanar. C'est-à-dire que la première décade, les dix premiers jours, est une période de miséricorde où vraiment euh, Dieu il donne, euh, il laisse descendre sa miséricorde. Donc il suffit de faire euh, du gêner pour rentrer dans, cette miséricorde divine. La deuxième décade, c'est la décade de, pardon. Donc Dieu pardonne pendant ces dix jours tous les péchés. Quand on dit tous les péchés, les marabouts ont eu des avis divergents là-dessus. Dieu en général il suffit de, demander son pardon pour que lui il efface le tableau entre toi, toi et lui. Mais ce qu'il y a entre toi et les autres, c'est autre chose. Dieu ne peut pas l'effacer. Ça, il faut attendre le jour du jugement dernier. C'est ce jour-là que Dieu fera la part des choses. Mais certains marabouts ont dit que la deuxième décade, c'est l'occasion euh, pour que Dieu efface tout le tableau. Bon, ce n'est pas une raison d'aller en commettre d'autres. <laughs> Donc, euh, vraiment, c'est le grand pardon il faut essayer d'en profiter, à condition que la personne se confie à Dieu, euh, se confesse entre toi et Dieu, et que tu ne retourneras plus jamais à ce, genre de péché. Là, vous trouverez les deux tableaux vraiment effacés. Parce que Dieu, il a un nom qui est à la fou, c'est-à-dire celui qui gomme, qui efface. C'est Dieu seulement qui a ça. Dans certains hadiths, on dit que Dieu ne pardonne pas, ne peut pas effacer ce qu'il a entre toi et quelqu'un. Il y en a qui des hadiths qui le disent. Mais Dieu aussi, parce qu'il est Dieu, il est capable de tout. Il ne faut pas faire une exception pour Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu, s'il le veut, il peut effacer aussi ce qu'il y a entre toi et, l'autre. Donc c'est dans ce cadre que les marabouts disent que euh, la deuxième décade, c'est très importante pour celui qui l'a compris, pour celui qui l'a fait avec beaucoup de regrets, tout ce que tu as fait, avec beaucoup d'implorations, avec beaucoup vraiment euh, un examen de conscience approfondi, et vous aurez toutes les chances vraiment de bénéficier de ce grand pardon-là. Donc la troisième décade, c'est la décade de Itkuminanar, c'est-à-dire que ça c'est l'affranchissement de la fournaise ou bien du, feu. Donc tous les musulmans, tant que nous sommes, nous prions, nous gênons, nous faisons tout pour vraiment échapper à l'enfer. Donc euh, c'est comme si vous avez votre ticket pour le paradis à travers euh, cette troisième décade. Et c'est tellement important que le rythme d'adoration euh, augmente, s'accélère euh, dans cette dernière décade, puisque c'est une décade très très très importante, et même du temps du prophète Mohammed, comme lui-même il a su le montrer. Oui, Cheikh Barham, au cours de ces différentes décades, qu'est-ce qu'il est recommandé aux jeunes Qu'est-ce que le jeune doit faire pour euh, mériter euh, tous les bienfaits euh, de, ces décades Commençons d'abord par la première décade. Pendant tous les mois de Ramadan, disons, il est recommandé l'abstinence de ces différents sens dont le docteur a parlé, dont nous avons parlé aussi d'abord. Mais il est surtout recommandé de faire beaucoup de lecture de Saint-Coran, lire le Saint-Coran, c'est très important en soi, en islam, surtout pendant le mois de Ramadan, rien qu'en regardant l'écriture. Et ceux qui ne maîtrisent pas le Coran Bon, c'est dommage, mais ils, peuvent l'écouter. Ils peuvent l'écouter avec des casques ou bien avec des gens. Mais le profit serait moindre que si vous arrivez à lire. Le prophète a dit que chaque lettre, pas chaque mot, hein. il dit alif, lam, mim, par exemple, c'est pas une lettre, c'est trois lettres, alif, lam, mim. Il dit que chaque lettre, pour chaque lettre, vous avez dit récompense. Vous avez dit hasanat. Donc, déjà, pour chaque lettre, vous avez dit hasanat. Imagine si vous avez lu le Coran plusieurs fois pendant le Coran. Donc, c'est très important de lire le Coran, mais aussi de faire les zikr, les invocations. Il y en a une infinité. Tu peux faire n'importe lesquelles que tu maîtrises. Si c'est le zikr, la ilaha illallah, si c'est euh, salat nabi si c'est istighfar, tu peux faire. Il faut aussi, surtout pendant le ramadan, faire des partages docteur avait parlé tout à l'heure de la nourriture, de l'abondance, tout ça. L'islam interdit le gaspillage, l'islam interdit l'ostentation, comme il l'a dit. Mais l'islam n'interdit pas de partager avec le voisin, comme il l'a dit. Il faut partager, il faut associer les autres faut, à, ce, à bonheur. Parce que le ramadan, c'est un mois de partage. Tu peux partager même avec les non-musulmans pour qu'eux aussi, ils savent que vraiment on dit Ramadan Karim. Ils savent que vraiment il y a un mois de, de, de bénédiction qui est là. donc les musulmans doivent partager ça entre eux et avec tous les voisins. Il faut que tout le monde puisse vraiment bénéficier. Donc, entre autres, il faut multiplier la lecture, il faut multiplier les, les, il faut multiplier les, les cadres, le partage, il faut aussi multiplier les qiyam l'ail, c'est-à-dire euh, faire des prières la nuit euh, en solitaire et en groupe. Il y a les deux ce qu'on appelle le travail, tu le fais, mais aussi, euh, une fois rentré chez toi, tu dois encore faire. Puisque c'est le mois pour maximiser les actions. Toutes les bonnes actions sont bienvenues pendant le mois de Ramadan, que ce soit entre toi et Dieu, que ce soit entre toi et la société. Et Cheikh Barham, euh, comme la première décade est déjà consommée, euh, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Est-ce qu'il y a une possibilité pour rattraper Oui, déjà, le fait de, de gêner, on peut dire que euh, chacun a fait ce qu'il peut, euh, chacun a eu quand même le degré, en quelques degrés, ce qu'il mérite euh, de, de, ce premier décade et de cette, deuxième décade. maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de, s'y mettre vraiment suffisamment, la troisième décade qui s'ouvre maintenant leur en donne l'occasion voilà, toi avec les qu'on attend dans cette période troisième et dernière décade de ce mois béni de Ramadan. Quelle est la particularité de cette décade Car l'on observe que les fidèles passent des nuits entières à la mosquée. Oui, comme on l'a dit, cette euh, dernière décade est très importante en islam parce que il faut éviter à l'au-delà d'avoir à affronter euh, l'épreuve de l'au-delà. Donc c'est avec euh, cette décade on est au moins sûr d'avoir son ticket pour le paradis. C'est très important en islam. La troisième décade là est tellement importante parce que c'est dans cette décade qu'il y a les lettres qadr. C'est dans cette décade qu'il y a l'itikaf. L'itikaf, c'est la retraite, la retraite, spirituelle. qui est aussi une autre forme d'adoration qui s'est fait, bon, pas forcément seulement en ramadan, même si les éléments ils divergent là-dessus, mais surtout en ramadan et surtout dans la troisième décade c'est là que le prophète lui-même, il l'a fait et il l'a fait plusieurs fois. Donc ça consiste à faire une retraite. Pourquoi Parce que en faisant cette retraite, vous avez toutes les chances pendant ces 10 jours de coïncider avec lêtre al-Qadr. Parce que lêtre al-Qadr, c'est un événement spirituel caché. Même si les gens ont tendance à le fixer au 27e, bon, il y a beaucoup de, de, chances que ça tombe au 27e. Mais les gens disent que euh, il faut à partir du 20e jour, il faut prendre les journées impaires. 21, 23, 25, 27, 29. L'être cadre doit tomber forcément parmi ces nuits impaires-là. Mais comment savoir laquelle est la bonne Tout simplement en se mettant en, retraite spirituelle et en travaillant nuit et jour pendant tous les 10 jours, vous avez toutes les chances euh, de tomber sur l'être cadre. Euh, comment observer les lettres Qadr et c'est quoi son importance pour un musulman Pour un musulman, le Coran le dit clairement c'est une seule nuit qui est, en termes de bénéfices, il vaut 1000 mois. Donc, plus de 84 ans d'adoration non-stop que vous allez gagner en une seule nuit. Et c'est pourquoi on l'appelle l'être qadr. C'est ce jour-là qu'on change nos destinées. On dit que le destin-là ne change pas. Non, L'être cadre, Dieu ouvre une fenêtre pour que le destin puisse changer. Donc il vaut mieux être là ce jour-là. Vous allez avoir l'occasion d'influer sur votre propre destin. Si c'est mauvais, ça peut, tu peux le changer en bien. Donc voilà pourquoi on appelle cadre. Qadr, ce sont les destins qui changent, que Dieu peut les changer ce jour-là. Cheikh Barham, euh, comment un fonctionnaire qui travaille toute la journée pourra profiter de cette opportunité Oui, c'est vrai, là, on ne peut que lancer un appel au gouvernement, euh, aux autorités, de réduire le temps, l'horaire de travail euh, pour le fonctionnaire pendant le mois de Ramadan, ou au moins pendant cette dernière décade, pour qu'il euh, puisse vraiment s'adonner pleinement à cette activité. Parce qu'il n'est pas facile de passer toute la journée à faire le Qiyam leil et le lendemain d'être très productif encore. Donc vraiment, euh, ça c'est quelque chose d'important à voir. Ce n'est que du jour, Même le pays, l'État aussi, le pays aussi va bénéficier de cela. Donc, de, voir dans quelle mesure réduire le, minimum possible le temps de travail pour que les fonctionnaires aussi puissent s'adonner à cette activité pendant les 10 jours. Eh oui, docteur euh, Sani vous êtes socio-anthropologue, vous êtes aussi musulman, vous êtes jeuneur. Comment est-ce que vous faites pour bénéficier de, de cette opportunité Il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter. Il suffit d'organiser son temps. Le jour, un jour, c'est 24 heures. Les horaires de travail dans la journée, c'est 8 heures de travail. Donc, on a à séquencer euh, nos heures hein, de journée, les 24 heures en trois. On donne à l'État ce qu'on lui doit les 8 heures de travail. Pour le sommeil, environ pour un homme adulte, une personne adulte, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, c'est possible. Ça permet au corps de se reconstituer, au cerveau de se reposer. Les autres heures, il suffit de s'organiser. Pour peu qu'on s'organise, on peut effectivement observer les lettres on peut faire effectivement ce qu'il aime et puis être à son lieu de travail et chercher à être autant productif qu'auparavant. L'acte d'adoration, lorsqu'on s'investit dans la foi, il agrémente la pensée. Il y a des facultés qu'on découvre, une certaine forme de quiétude et d'inspiration même qu'on recouvre qui permet à l'individu d'être à l'aise. En réalité, quand vous vous investissez dans, cet acte d'adoration, vous vous sentez moins fatigué, vous vous sentez moins stressé. Les gens perdent ce temps au cours des fadas inutilement en train de causer, de parler politique, de parler ceci ou cela, en train d'ailleurs d'écrire sur leur ardoise de mauvaises œuvres, pour rien. Alors qu'on peut consacrer ce temps, un temps soit peu, vraiment 8 heures, 4 heures de temps la nuit, on peut essayer de s'organiser, après le tarawih, le soir, manger, se reposer, faire un peu de vide autour de soi, dormir. À minuit, une heure du matin, on est sur pied et on part affronter effectivement la foi pour la revigorer au niveau de la mosquée. Et on s'en va jusqu'au voilà. Et docteur Yahya Janjouna, on a constaté aussi que pendant cette troisième décade, le rendement baisse au niveau du lieu du travail. C'est une réalité parce que les gens s'investissent davantage mais sans s'organiser. En réalité, les gens prennent ça comme prétexte pour déserter leur lieu de travail. Mais que ce qui doit être fait, ce que je voudrais évoquer tout à l'heure, la deuxième possibilité, c'est qu'on peut prendre ce jour de congé. La loi l'autorise. Tout, tout employeur a obligation, effectivement, de vous concéder quelques jours de congé durant l'année. Vous pouvez préserver déjà vos jours de congé à cette période, vous prenez vos jours de congé et vous êtes à l'aise. Vous avez droit à des jours de permission. Selon, par exemple, les structures, jusqu'à quatre jours de permission. Vous pouvez essayer de négocier avec l'employeur qui peut vous autoriser effectivement à prendre quatre jours de, choses. Et comme il l'a dit, ces quatre jours, vous pouvez les organiser en fonction des jours impairs pour essayer de participer effectivement en cherchant les lettres Mais aussi, la troisième possibilité, il n'est pas dit immanquablement qu'il faut prier à longueur de nuit. À longueur de nuit. L'islam est une religion, comme chèque l'a si bien notifié, euh, de tolérance, mais aussi qui ne force pas. On ne demande pas à l'humain ce qu'il ne peut pas. Allah ne l'a pas fait. Il n'a pas demandé euh, à l'humain ce qu'il ne peut pas. Tout ce qu'il nous a demandé, il l'a fait pour ce que nous pouvons faire. Et il a dit, effectivement, son paradis appartient aux plus endurants, hein. ceux qui continuent là où les autres s'arrêtent. Alors, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Trouver deux heures hein, à partir de minuit ou jusqu'à deux heures du matin, et puis on peut se reposer un peu. Ou si on se réveille à quatre heures du matin, on fait sa propre chez soi. Ou on peut partir en groupe pour, le, euh, pour faire ça avec euh, les autres personnes au niveau des mosquées. Donc, toutes les possibilités sont là. Mais les gens, souvent, c'est un prétexte qu'ils prennent qu'ils ont passé les nuits en train de prier alors qu'ils sont passé même les nuits en train de dormir ou de suivre des films euh, dans leur chambre. Et puis maintenant, on vient pour soi-disant comme argument. En réalité, le rendement ne devrait pas baisser. Il suffit de s'organiser tout simplement pour exploiter autant que faire se peut la nuit, les nuits de la dernière décade, mais en même temps procéder à un bon rendement, en tout cas dans son lieu de travail. Oui, docteur Sania Yajanjuna, qu'est-ce qui explique euh, à présent le comportement des femmes et hommes qui distribuent euh, des quantités importantes de sucre en cette période euh, à des gens à l'abri des besoins pendant que des nécessités sont ignorées par ces mêmes personnes pendant les autres mois de l'année. Euh, oui, non, oui, pendant ce mois venu de Ramadan, il y a certaines femmes euh, et, hommes qui distribuent des quantités importantes de sucre à des, à des gens qui à pas besoin de exactement. C'est l'ostentation. C'est l'ostentation toujours. C'est-à-dire, les gens cherchent à faire des gestes en termes de cadeaux à des gens qui vont nous être reconnaissants. L'homme, contrairement à Dieu, quand elle pose un acte, elle attend malheureusement la reconnaissance de toi. Au lieu de se fier à ce que Allah dit, quand tu poses un acte de bienfaisance en termes de cadeau, de geste que tu fais à quelqu'un, n'attends pas la récompense de lui, attends ma récompense, moi, Allah. Et c'est la meilleure des récompenses. Malheureusement, parce que les gens font en sorte que eux, ce n'est pas cette récompense d'Allah qu'ils veulent, ils veulent la reconnaissance, le fait que tu me reconnaisses que je t'ai fait un geste, que demain quand tu me vois, tu cours pour me saluer, que tu me sois reconnaissant, que tu dises que je t'ai fait quelque chose et que tu me donnes ma place dans la société en termes de tête de statut, de position dans la société. C'est ça qui pousse les gens. Au fond, sur dix actes que nous posons dans la société au nom de la religion, sur dix actes que nous posons dans la société au nom de la religion, seuls deux peut-être à trois sont réellement au nom d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle nous serons peut-être nombreux, effectivement, dans cette situation à être jugés. Et Allah pèse ce qu'il y a dans nos cœurs pour savoir si tu l'as fait en son nom. Et c'est pourquoi elle dit, quand tu vas donner avec ta main droite, que même la main gauche ne sache pas que tu as donné. Donc fais-le pour moi, ne le fais pas pour que les gens voient. Et c'est pourquoi tu n'as même pas de récompense lorsque tu dis à quelqu'un que j'ai donné telle chose à quelqu'un. Quand tu parles comme ça, c'est que c'est ça ta récompense. Et je pense, Akram là, c'est bien clair par rapport à cette question. Qu'a euh, euh, dit l'islam par rapport à ce sujet Oui, le docteur l'a bien dit. Il ne faut même pas que la main gauche sache ce que la main droite donne. ça veut tout dire. Dieu l'au-delà, tout ce que tu as fait pour l'ostentation, même si c'est un acte d'adoration, si tu l'as fait juste pour que les gens puissent vraiment te, euh, le reconnaître, Dieu te dira, ben, ils, te l'ont reconnu, c'est tout ce que tu as comme récompense. Donc de l'au-delà, il ne faudra rien attendre de Dieu. Donc euh, moi je voudrais dire surtout que le ramadan, c'est fait pour purifier nos corps, pour purifier nos âmes. Profitons-en pour aussi purifier nos comportements tout ce qui est ostentation, tout ce qui est médisance, tout ce qui est film ou bien il y en a qui passent le ramadan à dormir ou à regarder des films, ce qu'ils ne faisaient même pas. Ils regardaient des films à longueur de journée, comme pour passer le temps. Or, ce n'est pas ça. Le ramadan, il faut vraiment euh, s'adonner à d'autres choses comme la lecture du Saint-Coran, comme même si vous allez l'écouter, ou bien vous allez regarder euh, des, prêches, mais il ne faut pas passer le ramadan à faire des actes inutile. C'est comme si vous n'avez pas purifié votre comportement. On a parlé tout à l'heure d'itikaf. Itikaf, c'est quoi Itikaf, c'est le confinement de l'âme. Il faut que l'âme soit confinée, mise un peu en prison pour la purifier elle aussi. Vous savez que l'âme est rebelle. Quand Dieu a créé l'esprit et l'âme, il a demandé à chacun qui, qui es-tu, qui es moi. L'esprit a dit à Dieu Tu es le Seigneur, je suis ton serviteur, tu m'as créé. Il a dit à l'âme Tu es qui moi je suis qui Il a dit, tu es toi, moi je suis toi. Il l'a envoyé en enfer cure pendant des années. Il est ressorti, il a répondu à la même chose. Il l'a renvoyé encore dans l'enfer le plus chaud. Il a passé des milliers d'années. Il est revenu, il a posé la même question. L'âme a répondu de la même manière. Qu'est-ce que Dieu a fait L'âme, ainsi, il a fait le tour de tous les enfers et il n'a pas changé. Il dit, il était toujours arrogante. Il était toujours arrogante devant Dieu. Elle a dit à Dieu, Dieu, moi je suis moi. Dieu a dit, bon, envoyez les au cachot, privez les de nourriture à manger. C'est là quand il est sorti qu'il a reconnu que Dieu est Dieu. Pour vous dire que euh, cette privation, c'est important pour le corps, c'est important pour l'âme, c'est important pour l'esprit, c'est important pour toi, Il n'est pas question de manger comme la l'avait bien dit docteur. C'est la nature qui a fait que tu ne peux même pas manger comme tu veux. Tu as beau faire l'abondance, tu ne peux pas manger. Donc il n'est pas question de récupérer tout ce que tu as perdu toute la journée. Tu manges juste un peu. Quand tu as faim, tu manges un peu. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, euh, membre président du CEDIR. Nous étions étions également avec euh, Dr Sani Yahya Janjouna, socio-anthropologue. Euh, merci à vous tous euh, de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kolangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Au revoir.